Chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce mardi 21 mars 2023. Au micro, c'est Fanta Chamsou et à mes côtés, Ali Moukaila Ouseni, le grand Seino 50%. À la technique, c'est Issa Adamado qui à l'édition. Seino bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Fanta, Ça va et de ton côté Ça va, alhamdulillah. Super alors. T'as quoi pour nos chers auditeurs ce matin eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons tenir compagnie à nos chers auditeurs pendant toute une heure de temps avec un programme bien croustillant composé d'un flash d'informations et de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique Hebdo Santé de cette édition, nous parlerons de la persistance du rhume à Dokoro. Et comme invité du jour Fanta, nous recevons Monsieur Ibrahim Suleiman. Il est le directeur général de l'Agence de promotion des entreprises culturelles APEC. Avec lui, nous parlerons de l'industrie culturelle au Niger. Il y aura aussi du sport sport dans cette émission et un reportage régional qui va nous amener à Nigimi dans la région de Difa. Il y aura également du loti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique en Hausa et en français. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta, bonjour Ali Ousseini Munkaila. Bonjour euh, Mokhtar. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin voilà, nous allons débuter avec euh, l'agenda présidentiel. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qui est en visite d'amitié de travail de 48 heures euh, depuis hier à euh, lundi à Lomé au Togo. Cette visite du chef de l'État nigérien au Togo entre dans le cadre d'une tournée diplomatique qu'il a initiée pour renforcer la coopération économique et commerciale avec les partenaires stratégiques directs du elle intervient après celle effectuée du 13 au 14 mars au Bénin. Un mot euh, sur euh, l'éducation. Après deux semaines de travaux, le comité pour l'élaboration des fiches euh, pédagogiques et administratives pouvant en servir à l'évaluation des enseignants contractuels en vue de leur intégration à la fonction publique a officiellement remis le rapport de son travail hier 20 mars au ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou. Ce rapport sera soumis à l'appréciation d'un groupe de cadres du ministère pour apporter les amendements nécessaires avant son adoption définitive en relation avec les partenaires sociaux, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Le président français Emmanuel Macron a, dans un tweet hier 20 mars, exprimé toute sa reconnaissance au Niger après la libération du journaliste Olivier Dubois. Rappelons qu'Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao au Mali et est resté depuis en, en captivité avant d'être libéré. On note également la libération grâce aux efforts du Niger de l'humanitaire américain Geoffrey Woodke, enlevé lui aussi euh, le 14 octobre 2016 à Ablaka au Niger. C'est tout pour ce flash d'information de ce mardi 21 mars 2023 passé d'agréables moments en compagnie de nos collègues Fanta Chamsou et Ali Ousseini Moukaila. Merci euh, infiniment Mokhtar pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons M. Suleiman Ibrahim. Il est le directeur général de l'Agence de promotion des entreprises culturelles au Niger. Bonjour Monsieur Suleiman. Bonjour Monsieur Chamsou. Euh, bonjour Monsieur Suleiman. Bonjour Madame. Euh, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans ce studio. Et avec vous, nous allons parler de l'industrie culturelle au Niger dans un instant. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter cette belle chanson intitulée Auré, chantée par Albichirin de Chiro. Chers auditeurs, c'était la célèbre troupe culturelle Albichirine de Tiro qui nous chante Auré, une chanson qui rappelle l'importance du mariage. Une chanson aussi qui prodigue des sages conseils aux époux, tout en leur rappelant la nuance entre la vie de célibat et la vie de couple. Chiri de Tiro, Fantas, c'est une troupe culturelle qui fait son chemin depuis plus de 30 ans à travers des chansons aussi euh, significatives Hein, les uns que les autres. Cette troupe a touché à plusieurs thèmes de la vie courante, la paix, la, euh, cohésion sociale, la patience et plein d'autres. Et pour rappel, cette troupe a été dirigée pendant près de 30 ans par le feu Badoche Narwa qui a rendu l'âme en juillet dernier. Paix à son âme. Paix à son âme. Après cette euh, sonorité musicale, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, M. Suleiman Ibrahim. M. Suleiman, euh, j'espère que vous avez aimé cette chanson de Albichiri de Tiro. Oui, absolument. Super. Alors, Monsieur Suleiman, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de promotion des entreprises culturelles. Euh, aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'industrie culturelle au Niger. Comment, comment se porte ce secteur Ok, merci euh, madame. Merci à, euh, au studio Kalangou de nous donner cette opportunité de parler de, euh, pas des entreprises spécifiquement, de l'entrepreneuriat culturel au Niger. Mm-hmm. vous savez, depuis un certain temps, la culture est considérée comme un pan du développement durable, mm-hmm. donc un des piliers pour le développement durable. le développement durable voudrait à ce que la culture euh, puisse euh, euh, servir de développement tout court mhm. d'un pays. Alors, cette question de culture patrimoniale ou culture identitaire, mhm. donc, est en train de laisser place à des questions, à des aspects spécifiquement économiques. Donc, la culture, tout comme les autres euh, secteur d'activité que vous connaissez comme pense porteur. Donc la culture également peut apporter euh, un plus à l'économie nationale. Et sur le plan international, dans les pays du Nord, la culture contribue à hauteur de 7 à 8 par rapport au produit intérieur brut, nettement eh, plus que les autres secteurs que nous connaissons, le secteur de l'aviation, le secteur de l'industrie, des autres, en tout cas, industries que vous connaissez. Et en Afrique, ça participe à hauteur de 4% au produit intérieur brut, ce qui dépasse carrément beaucoup de secteurs comme euh, les mines, tout ce que vous voulez. Alors, euh, euh, après ces études, on a constaté que on peut passer par la culture pour développer notre continent. Nous avons des ressources minières, pétrolières, mais qui vont un jour ou un autre déjà tarir. Donc la culture est le seul euh, gisement qui ne tarit pas, mhm. parce que euh, la matière est dans l'intellect et dans la tête de l'homme. Et tant que l'homme est là, donc la culture euh, va toujours exister et peut développer, développer significativement l'économie. Donc c'est dans ce sens que beaucoup de pays maintenant ont donner des aspects économiques à la culture, d'où la création de l'agence des industries culturelles pour eh, parler du secteur économique de la culture. Donc nous travaillons à réorganiser un tout petit peu l'environnement de l'entrepreneuriat culturel. Mhm. Nous avons identifié six filières porteuses, donc les filières porteuses sur lesquelles nous menons nos actions mhm. pour que ces filières puissent se développer et participer concrètement au développement économique et social de notre pays. Mais quelles sont ces filières D'accord, donc euh, au niveau de la nous avons identifié eh, eh, les filières porteuses, ce que nous appelons porteuses. Il y, en, a d'autres, mais eh, nous travaillons plus euh, sur la filière musique et spectacle. Donc ça, c'est la première filière. Mhm. Donc nous travaillons également sur la filière mode et design. Mhm. Donc la deuxième filière, la filière art plastique, mhm. la filière livre et édition, la filière cinéma et audiovisuel. Donc voici les filières euh, sur lesquelles nous apportons euh, plus nos actions pour les restructurer et également leur permettre euh, de booster significativement notre économie. Bien, Monsieur Suleiman, avant de continuer, nous allons euh, souffler encore euh, une fois de plus en musique avec ce morceau Makashing Maza de Dangana Star. On écoute et on revient juste après. tsoro domin makashin maza maza ka kashi dai wallahi maza ka kashi dai wallahi makashin maza maza ka kashi dai ba shakka maza ka kashi dai ba shakka a san mutum a san sana'a dai ni na san da shi ba zai ci dan zaki ba Voilà cette chanson sous un rythme tradit avec des instruments tels que le goje ou encore la calebasse vante le courage et la bravoure que doit conserver un homme pour euh, ne jamais renoncer à ses ambitions, quel que soit le danger. En effet, sinon, le clip de cette chanson met en scène un chasseur qui, malgré les mises en garde des mystiques, refuse d'abandonner son métier et son héritage qui est la chasse, bien sûr. Makashim Maza Fanta, ce son est signé par euh, le groupe musical Dangana Star de Zander. Lauréat du prix d'Angourme 2004, ce groupe, à l'instar de Haske, star de Ali Atibidi, est né du célèbre groupe musical Super Haske du feu Sani Aboussa. Paix à son âme également. Ouais, personne. Monsieur Suleiman, nous revenons vers vous. Alors, euh, dites-nous, est-ce qu'il est difficile d'entreprendre dans le domaine euh, de la culture ici au Niger euh, Difficile, bon, on peut dire que c'est un peu difficile parce que, vous savez, la culture dans les pays un peu à connotation islamique, ou encore conservateur, on peut dire. Conservateur, en tout cas la culture. Bon, conservateur, si on voit dans la conservation, euh, je pense que euh, euh, nous, avant, nous étions tous, voilà, plus ou moins animistes, hein, parce que quand on regarde loin, loin, loin, <laughs> ceux qui prient là, ils sont pas, voilà, c'est maintenant que, bon, voilà, la religion a un peu envahi. l'environnement, l'environnement, en tout cas toutes les sociétés et, que de, quand vous, voyez les, prêches et tout ce qui tourne autour, donc on, a tendance à avoir, euh, à, faire, euh, à penser que tout ce qui est culturel n'est pas en adéquation avec l'islam, mm-hmm. alors que euh, même dans les pays arabes, et aujourd'hui les pays en tout cas qui ont une plus grande tradition, de la culture islamique que nous. Donc vous allez voir les activités culturelles prolifèrent, le cinéma, les ballets, les opéras. Voilà, moi j'ai passé ma vie en Égypte, j'ai étudié en Égypte mm-hmm. et j'ai vu le paysage culturel égyptien. Mm-hmm. et vraiment, il n'y a même pas à comparer par rapport à nos pays alors que c'est un pays fortement islamique, avec euh, la, plus grande université sunnite qui est là-bas, qui, qui, qui détient en tout cas tout le pouvoir euh, de, la foi sunnite. Mais euh, ici, bon, on a tendance à la religion, en tout cas, constitue une pesanteur sur, euh, sur le développement culturel. Ça, je, le dis assez souvent. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés Il y a d'autres difficultés également. Il n'y a pas que ça. J'ai dit, parmi les difficultés que je suis en train d'énoncer, mhm. il y a cette pesanteur. Il y a également, euh, euh, on pensait, parce que tous ceux qui avaient euh, prospéré, ceux qui avaient travaillé dans le domaine culturel, les artistes, les grands artistes. Donc, euh, les gens, il euh, n'y a pas cette transmission de, père en fils ou de génération en génération. Mhm. Donc, ce qui fait que euh, vous allez voir tous nos grands artistes ils, qui sont disparus, il n'y a pas eu de relève conséquente parce qu'on pense que eh, ils ont fait leur temps et que ça n'a pas donné grand chose parce que tout est économique en mhm, réalité parce mhm. qu'on pense que ça ne nourrit pas la musique eh, la musique ou la culture ne nourrit pas son nom et, eh, les gens hésitent en tout cas à embrasser ces domaines et l'autre difficulté également c'est la passion qui, prime sur euh, le professionnalisme. Mm les gens, on veut faire du cinéma, on veut faire de la littérature, on veut faire de la mode, on veut faire de la musique, mais on fait parce qu'on aime. Mais quand vous voyez de la manière dont cette, euh, ces activités sont en train d'être réalisées, mhm. vraiment, euh, ces actions sont en train d'être réalisées, mhm. et il y a quelques difficultés. Mhm. Il y a quelques difficultés liées essentiellement à la formation. Ils ne sont pas assez formés, ils ne sont pas et, et que c'est ils veulent juste euh, travailler, ils veulent juste embrasser le domaine sans pour, euh, sans pour autant avoir les béabas de, de l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, mhm. tout ce que tout ce qui tourne autour. On ne peut pas faire l'entrepreneuriat sans connaître c'est quoi une entreprise, sans connaître comment gérer, sans connaître en tout cas les béabas de l'entrepreneuriat. Alors que bon, le plus souvent ils se lancent et à partir d'un certain temps, et, rencontrent des difficultés et, ça ne marche plus. Euh, et il s'arrête merci beaucoup, Monsieur Sousleiman. Ce sera tout pour aujourd'hui. On vous dit encore une fois merci de nous avoir honoré de votre présence et d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère qu'on aura encore une autre occasion de se retrouver dans cette émission. Inch'Allah. Merci infiniment. C'est à présent, c'est l'heure de notre rubrique santé. Et aujourd'hui, c'est le docteur Ibrahim Zoubey, médecin-chef du CSI de Dakoro, qui nous parle de la recrudescence ou de la persistance, je dirais, du rhume dans ces départements. Oui, Fanta, le changement climatique suivi de la transition entre les saisons froides et la période de la chaleur constitue un des aspects euh, favorables à la persistance du rhume chez les enfants et les adultes à Dakoro. Effectivement, car dans les centres de santé, on observe une fréquentation massive des patients venus pour le traitement du rhume. Quels sont les symptômes de cette maladie et quels sont les conseils techniques à suivre pour éviter d'attraper un rhume Élément de réponse avec le médecin-chef du CSI des Dakoro, Dr Ibrahim Zoubey. Il est au micro de Adamou Oumarou. Doktor gashi muna cikin wani lokaci na akasari muna ganin yara suna fama da mura akwai tari yakan biyo baya ko menene dalilin wannan. Lokacin ga da ya shigo akwai canjin lokaci kenan ana gamuwa da mura da take kama yara amma har zuwa manya su ma ana samun su. To dai da harko dai ya kamata mutane su sani da mura majina ce ana ce mata rim. Mura ce wata rana in ta kai inda ta kai ta kai karhi ana iya ce mata pneumonia. Menene pneumonia kamar lokaci. lokacin da mura ta kama gaban mutum wanda yake da matsalar samun matsalar shida wata rana ko yana ta yawan tari to ne ake ce mata pneumonia ana samun ta wajen yara wajen manya ma ana samun ta a halin yanzu mun ga abun ya zama kamar ruwan dare ga ma duniya me alƙaluma ko suka bada abin da zan cewa kama wannan sai a ce abu ne wanda yake zauwa ga canza lokaci lokaci ne yake kawo shi in lokaci ya canza kamar in ana yanayin sanyi sanyi in ya kai sanyi sanyi yawa cikin gari yana kawowa mura ko kuma bayan wannan akwai canjin lokaci kama za a hita cikin sanyi a komo cikin zahi to wannan shi ma yana jayo wannan muran nan tunda kun san in zahi ya fara shigowa da kwarai waɗansu mutane suna canza halaye su ta abinci ma wajen wani shan ruwan sanyi da wani abin gato wannan duka yana canza abubuwa sai ya sa ku ga mutum ya yi mura sai dan kwana biyu yana dan tawara yana tuwarin mashinin shi a in zahi ya kai zahi sai abin ya bari kuma wata rana akwai kura kura cikin gari kowa ya san nan cikin gari garin da koro gari ne wanda akwai hanya makiyaya cikin garin da koro wanda ake cewa couloir de passage eh, na elever to wannan hanyar nan na makiyaya su shanu in suna wuce suna tadda kura to kuran nan da suke tadowa wannan kura akwai dauda iri-iri cikin ta akwai bacteria ta akwai dauda da ake ce ma virus akwai dauda da ake ce ma champignon na dauda dai lala-lala da ake samu cikin kura ita ce a streptococcus pneumoniae to shi wannan kwaro kwaro ne wanda cikin kura yana yawo cikin kura yana yawo cikin iska hakan ga to duk inda dan bil adam yake inda ya sheka wannan kura to shine sai ya sa ta shiga cikin gaban shi in ta shiga cikin gaban shi sai ka ga mutum ya fara tari har ya kai mai hanci yana zuba ruwa har ya kai mai ga mura kenan ga abin da ke sa ake kamuwa da wannan matsalar kenan mutane na zakwa akai akai wajen dokar magani mutanen da ake samu likita lalle lalle mutane suna zauwa tunda kama ga hota hakan ga ana iya samu har mutum hamsin har zuwa wajen mutum sattin hakan ga in an ka gama da yara da manya ana iya samun har sittin hakan ga wajen saba'in hakan ga na garin da ƙwaro duka wayanda manya da yara ƙanana ne suke zauwa suna zauwa saboda matsalar mura kenan in suka zo wajen matsalar mura wajen yara ana iya samu yaro talatin ko yaro arba'in hakan ga daga zauwa ga wata eh in an kai kilga manya su ma haka nan amma su manyan da yawanci duka mutanen daji ne ba mutanen garin da kwarne. mutanen daji ne wayanda kullun cikin kura suke cikin lokacin ga da ya fara canza cikin kura suke kenan mura sai ta sha musu kai su ta ƙananan likitoci su ba su samu abin da suke so kenan dole mutum sai ya zagayo ya zo kireni ya zo wajen manyan likitoci ya ga in yana samu mahita wannan ne shawarwari za ku ba al'umma domin kariya ga wannan mura eh shawarwarin da za ni badawa ga mutane na harko dai eh, yara ƙanana yara ƙanana wanga canjin lokaci da muke samu duk lokacin da adda kura a bar hita da yara yara ƙanana balle sabin aihuwan nan yara ne waɗanda ƙarhin su bai kai inda suke iya supportan wani wani abu kenan irin waɗannan yara a bar hita fita da su in akwai kura kwarai a zamna da su gida su kuma manya abinda za mu bada konsai manya mutane su dunga sa koda wannan rawanin wanda ke liƙe hanci ana sa bavet kamar takunkumi ne yana liƙe baki yana liƙe hanci kenan komi yawon ka da kake ka sa takunkuminka ko ka sa rawaninka ko mace wadda adda hijabi irin hijabin nan wanda adda dan takunkumi tana iya ta sa shi ta liƙe huskarta wanda zai sa ko wata ƙura ko wata dauɗa ba zai zauwa ga mutum ba balle mutum ya kamu da mura Fanta, après ce reportage, nous allons souffler en musique et cette fois-ci, j'ai choisi un hein, Amana de l'artiste El Radic Soldier pour vous, chers auditeurs. Ah, Music, chers auditeurs, euh, c'est le son Amana de l'artiste El Radix que vous venez de savourer à l'instant. Euh, une splendide hein, chanson aux paroles remplies de sens et au rythme tout aussi vibrant. Une chanson qui parle aussi de l'importance du mariage. Bien sûr, c'est nos Aure Ibadate, comme le dit l'artiste Al Radik, mais en plus, c'est un magnifique clip vidéo qui accompagne cette chanson. <laughs> magnifique, c'est peu dire, hein, à mon avis, Fanta. Ce clip est, mis en ligne depuis un peu plus de 5 ans. Mais à moi, à tout, en tout cas, il me fait toujours autant d'effet que la première fois. Cette chanson est tout simplement magnifique, Fanta. Ah, ça, tu l'as dit. <laughs> Voilà, après cette euh, pause euh, musicale Fantin, on passe à la rubrique écho des régions, destination d'IFA, n'est-ce pas Bien sûr, c'est nous. À Difa, les jeunes font face à de nombreux problèmes, plus précisément à Nigimi, où le chômage est classé comme cause de la consommation des stupéfiants et des phénomènes des fada et palais ou d'autres activités illicites. Yahya Kiari Fougou, hein, le président du conseil communal de Ngingimi, a lancé un vibrant appel à l'endroit des jeunes, des autorités locales et aussi euh, aux différentes ONG, aux différentes ONG pour pallier à la situation de ces jeunes qui sont la relève de demain. Il est interrogé par Abdoulaye Meina. Le plus grand problème, c'est le problème du chômage, parce que tous les autres problèmes sont engendrés par le chômage. C'est le chômage aussi qui engendre les autres problèmes là. Vous pouvez citer mille. Tous ces mille là, je peux vous montrer de A à Z que c'est le chômage qui est à la base. Quel est votre rôle en tant que structure de jeunesse nous, vous savez, nous sommes une organisation, une structure. Notre responsabilité, c'est d'organiser la jeunesse, les orienter, vraiment les conseiller. Et si quelque part leur droit est pétiné, on peut toutefois intervenir. Le fait de trouver le travail, ça, on ne peut faire lancer des appels seulement aux endroits de nos autorités, du local jusqu'au plus haut sommet, pour qu'ils puissent nous avoir des canaux, pour que la jeunesse puisse avoir une occupation. C'est ce que nous pouvons vraiment à faire. C'est ce qu'on est là en train de faire et ce que nous continuons à faire pour que le taux de chômage puisse un peu diminuer. Et quelles sont les requêtes de la jeunesse de la région Avoir une occupation. Ça, c'est l'air d'oléance de tous les jours. C'est l'air inquiétude de tous les jours. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse, présentement, il y a plus de 3000 dossiers de jeunes pré valides, des diplômés, des non-diplômés. Ils sont là entassés, ils cherchent du travail, soit au niveau du pétrolier, soit au niveau du chantier des goudrons. Vraiment, ces jeunes, les ont fait de leur mieux en conscient des dossiers. Et à chaque matin, ils viennent vers nous, ils nous poussent à aller vers les autorités locales. Et nous, vraiment, on est là en train de faire de notre mieux aussi pour informer à chaque occasion qui se présente aussi lors d'un atelier, lors d'une rencontre d'une personnalité. Les autorités locales, nous sommes toujours ensemble. On leur dit, mais ce qu'il faut savoir, il y a des problèmes où c'est pas au niveau local qu'il faut gérer. Il y a des problèmes qui dépassent nos autorités locales. Et ils ont fait de leur mieux. Ça, je peux pas Aujourd'hui, si le travail existe et que les autorités locales, s'ils ne font rien, là, on peut s'en plaindre. Mais si la chose n'existe pas, ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, en ce qui concerne, par exemple, le site d'Agadem. Le site d'Agadem, c'est le recrutement. C'est pas le maire qui fait le recrutement. C'est pas le préfet. C'est pas le chef de canton. C'est ni aussi le conseil des jeunes. C'est un bureau qui existe, qui est resté au niveau des Enders. Et à part ça aussi, il y a aussi des cabinets qui font le recrutement. On a entendu, on voit, ça se passe. Nous sommes tous des Nigériens. Nous sommes informés parce que ça nous concerne. Des cabinets qui font le recrutement. Aujourd'hui, en Guingimi, il n'y a pas un seul cabinet qui existe pour le recrutement des jeunes. Pourtant, sur le plan national, le recrutement se passe chaque matin. Donc, vous voyez, ce genre de problème, vraiment, c'est pas au niveau local qu'il faut gérer. Il faut que les cabinets reviennent aussi à Guingimi pour faire le recrutement. Est-ce qu'il y a des cabinets à Ndindimi pour recruter les jeunes Kingimi aussi, il y a des gens qui ont des cabinets, mais ils n'arrivent pas à avoir l'opportunité de faire ces recrutements. Ce n'est pas une bonne chose. C'est frustrant. Nous sommes sur le pétrole et la jeunesse qui est concernée, directement même, s'ils ne sont pas recrutés, ça, vraiment, c'est frustrant. Et ça, sans rien vous cacher, c'est une bombe à retardement. Très informatif euh, ce reportage de Abdoulaye Meynan, qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis DIFA. Abdoulaye, bonjour. Oui, bonjour. Abdoulaye, Alhamdulillah malama Fanta ya aiki. A da godiya. Na ce yanzu muka kare sauraron firarka tare da wakilin matasa na gundumar Gegime. Haka malam ya haye kyare fugu. Yala ya ce a ya ce matsalar rashin aikin yi ita ce ke kawo yawancin matsaltsalun da matasa ke fuskanta. To tambaya a nan ita ce. Babu aikin ne samsam ko kuma me yasa ne matasa ba a damawa da su? Eh, malama fanta kusan mafi akasari za ki ga a nan gegime eh a takaicen takaitawa dai ba a cewa kamar babu aiki e akwai ayyukan sai dai mafi akasari ayyuka ne da suka shahi na hannu wanda kuma kusan mafi yawancin su matasan idan muka samu zarafi na tattaunawa tare da su kaman abin da muke gani a fuskokinsu shine suna da raina aiki hmm. za ki ga alhalin ilimin bai kai ba kila na inda za a yi aiki wanda suka shahi takardu ido kuma suna bukatan eh, ayyuka wanda kamar za a ce suna cikin ofis ne suna shan sanyi ba shi waɗannan ayyuka na hannu ba sai dai kuma ba a taru duka aka zama ɗaya ba akwai kuma wanda za ki gani a a atelier haka wajaje na aiki kamar wajen subir da wani harkan yin eh, almuwar almuwar haka wajen munizie da da sauransu ne za ki gani akwai ɗaiɗaikun matasa wanda har da mata ma yawanci a ciki suna gabatar da su waɗannan ayyuka na hannu. Yau wato tambaya ta ta gaba ita ce wace sana'a ce matasa suka fi baiwa ƙarfi a cikin gundumar taku? Eh a nan dai yanzu za ki ga mafi yawancin su waɗannan matasa eh, sana'ar da suka yi ba ta ƙari ne kaman ɓangaren kamun kihi. za ki ga akwai ƙarurrukan matasa wanda shi ma dai ɓangaren ba dai duka matasan ba amma sun yi baiwa zuwa cikin gwar wajen lelewa da najeriya da kuma gadira wannan wajen bangaren harkar da ya shahi kamun kihi domin su zo su sa a bakin su To, mun gode sosai maina, um, sai nawa fain petit position se retrouve juste après. Fanta, avant de continuer notre émission, je pense qu'on doit s'échauffer avec un peu de sport. T'es prête, j'espère Bien sûr, c'est nous. Je suis prête et notre chroniqueur sportif Sariu Adam, qui se trouve à nos côtés actuellement dans ce studio, mais signale qu'il est prêt aussi. Sariu, bonjour. Bonjour, Fanta. Alors, euh, la Confédération africaine de football a débuté hier 20 mars les visites d'inspection, n'est-ce pas Oui, c'est dans cinq nations et oui, dans cinq pays concernés à savoir la Zambie, le Bénin, le Nigeria, le, Maroc et l'Algérie. L'objectif de ces visites est d'examiner les différentes infrastructures nécessaires au bon déroulement de la Cannes, comme les stades, les liaisons entre chaque ville et les offres d'hébergement. Alors Adam, euh, combien de temps durera cette mission Eh bien, nous, chaque visite devrait durer deux jours par pays et un rapport sera remis au comité exécutif de la CAF qui aura le dernier mot L'annonce du pays hôte ne sera dévoilée que l'été prochain, en, principe euh, à Cotonou, au Bénin, lors d'une assemblée générale. Et sachez que les cinq, parmi ces cinq pays, c'est la Zambie et le Bénin n'ont jamais organisé de Cannes. Et Adam, parlons toujours de Cannes cette fois-ci avec le MENA U23. Oui, Fanta, nous sommes à la veille du match aller dans le cadre de la double confrontation entre les U23 du Niger contre le U23 du Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Cannes U23. Avant cette rencontre, les poulains de Zakariaou ont livré un match texte soldé sur un score nul vierge contre la ce vendredi 17 mars au stade général Sénikounti. Pour l'entraîneur Zakariaou, ses joueurs ont manqué d'efficacité devant les buts, mais dans l'ensemble, c'est un match plus ou moins bon. Restons toujours en football, Adam. Terminons cette page nationale à oui, le dimanche, euh, il s'est joué la finale du Coupe du président de la République, Mohamed Bazoum, entre l'Olympique FC de la commune 4 de Zender contre le FC Calcio de la commune 2 au stade Lawandidi de Zender. Et c'est l'Olympique euh, qui s'est imposé sur euh, le score de 1 but à 0 et a remporté la coupe avec une somme de 500 000 francs. Le Calcio vice-champion a reçu 250 000 francs et un jeu de maillot. Et Adam, parlons à présent du foot à l'international. Oui, l'équipe de France de football revient en regroupement à Clairefontaine pour la première fois depuis l'après-Coupe du Monde. Pour, et après la retraite de, de, plusieurs internationaux, à savoir le capitaine Hugo Loris, Raphaël Varane et Steve Mandanda, c'est sans surprise que Kylian Mbappé a hérité du brassard de capitaine, comme l'a confirmé hier le journal L'équipe. Alors les Bleus affronteront le Pays-Bas ce vendredi et ensuite l'Irlande le 24 mars prochain dans les cadres des éliminatoires de l'Euro 2024. Dans le même cadre, les Diables Rouges de la Belgique euh, se déplaceront en Suède euh, le 23 mars avant de rencontrer l'Allemagne le 28 mars. Après la Coupe du Monde, euh, après une Coupe du Monde ratée, bien sûr, l'équipe belge va tenter de se qualifier pour l'Euro 2024. Alors, euh, Fanta, c'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, Adam. C'est nous aujourd'hui, euh, dans la rubrique Portrait, nous allons à la rencontre de Madame Mariama Gissa, une femme leader d'Agadez engagée pour la promotion de la femme nigérienne. Et oui, Fanta, Mariam Gissa fait partie euh, des premières militantes de l'Association des femmes du Niger, AFN, et du Rassemblement des femmes du Niger, RDFN. Son portrait avec Moussa Maman. gadez no ina hai maryama gisa mun bai ga kwai ekol amma a gadez gandara gowai borai kan temara za an nasara jir zambar fo da zangu ya ganda wai yaggara maryama go wai borai wani satai gin funara ir niger labora niger wai borai kwai da gin yango fondara duk kungiyar niger tun aka fara da AIFN aka fara cikin AIFN da nike ciki kamar militan ne sai da muka tahi a kasar durku sai na zan farzdanci ta mata tozawa da bulma agades kenan da na komo kuma agades da aka yi conference national sai aka fuddo kungiyar nan da ake ce ma rdfn mu muka buga gaba kai na na zama farzdan lokacin nan maryama gisase ba kan jirai wa kultan miyan wogo gate isi ga wai borai dan sawarera matakan ahimanda a ga mila kan gini kwai yango kaddai da wai borai kan badaya Matsaloli da muke samu kamar yanzu so muke komi ne ne za a yi a yi shi tare da su mata mace abin in hannunta yake komi ana sata ciki bai ya lalacewa mace ita ce na gani ta iya kashe wuta ta iya kashe wani abu mu so muke kamar mata masu aiki a zan dafa musu a zan kama musu Mu mai sanin da Madame miji hudu uku sun shiga gaba kai ku jawo mana mace guda ta shiga. Madam Azara Alitan aga daswe boregin funera afo goga Maryama Gisa wan kokaro sifa wodo diga dondoyen no. Mariam Maryama est une femme battante qui a toujours mis l'intérêt des femmes en avant. Elle a toujours mené une lutte farouche pour l'émancipation de la femme. Elle a toujours mené un combat pour la prévention et la consolidation de la paix. Elle a aussi lutté pour l'autonomisation économique des femmes. En un mot, elle fait partie des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. c'était le portrait de Maria Magissa rendu au studio par Rafika Attaher. Oui, Fanta, après ce portrait, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique de cette émission, je vous invite à savourer ce magnifique titre du groupe de rap Kedan Gaskia, Amin Nobere, pour vous.

Euh, c'était Amino Berey du groupe euh, Kerem Gaskia, l'un des plus célèbres groupes de rap hip-hop au Niger, un hein, qui a tenu le public nigérien en haleine depuis les années 2000. Dans cette chanson, Amino Berey, ce groupe rend un hommage bien mérité aux enseignants. Le refrain de cette chanson, c'est nous, c'est une reprise des vieilles chansons populaires du Zarmaganda dans l'ouest nigérien. Et tu sais quoi, c'est nous? Non. Perso, moi, c'est à travers cette chanson que j'ai découvert, que j'ai découvert, pardon, la, la magnifique voix de Safiat pour la toute première fois. Avant, <laughs> ah hein? Ouais. <laughs> Alors, Vanta, c'est l'heure du loti du jour. Et aujourd'hui, euh, dans cette rubrique lotti les femmes du studio Kalangu partagent avec nous euh, des astuces pour euh, rattraper une sauce trop salé. Et oui, sinon, il existe des astuces pour corriger sa sauce et on le découvre avec Rukayotu Abdraman et Rekia Arimi. <laughs> <laughs> gorko sini matin gani ba mi samai hmm, ni fo haukan ne go ma honko ni fonon go hinir o. ifo no ne gaba nin dai no abu mai yanno iro wodin kan ni go gaki ai gin bai ni suke da windo wora ka dai din ma ai kwar kuso hawo koi ga bisini kwar ga hmm choro ai no nugu somo bine komo ka dai no gidi hannu babar kan ga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai ni kwar bu to zakan nika dai kaga taga ta baya ise foyo ma kiro mata na goda zama ai manu baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go kaga fa kara ise hunkuna to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ko har nun foyo wote da he kiro ba gumni mo wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani <laughs> zanga mate abin da aina matki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari gina yan wani tirara he ai gini bai gwargasin din mayo din kan ga ba biniyai a gini ga te mo ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ne ga cim subhanallahi mata na ga te gwargasin ai alborai mo goka da tonton da Hmm, ne lakale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai gana gake bense matkan no ngi tega no fo chiro zabu to min hanga fere gama ai go gama se dinga ba no fo chiro mu zabu mudu na dangi bi zihinka wa kan san sare gine sharbon mi nyum halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ne bai fo yom bino haifa nimmo ai man ne ko gibo ku gidan arabu izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulga zabu din sin di sharbon mu so yan bai gazo watu man tubar kulno gwan dangibi din sin di dangibi yodi ni numdu nu de tari zakan na fifiri ma dumbu dumbu ma ki kitun foyora da zarga aga ciro din kulhan wallum du wai banana din si ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan na maka na foyoti. eto banan plantain wadin kan ne gici han kai igin waya dinga ya mantoy ma ka foyo rame wala ha ah, wadi ne nog bai fa din fai dada ni foyo ran ni foyo te foyo ma wadi ne nog bai mun bai mo kan ba sukar karfa ko din duwa gite, din da ni foyo ra kai ni fo nim kan kan bara kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro gyara kul zabu irkoy bere da fondi goni ga hay kunno ni gama foyin da sukkar to ai sin da hina kulu ai gin wani yamar yan wasan budaino to wasu ko gin ne ngo banandi hey kai gina ni wani haye wo kulubin bodin bini ya yadini hmm. wasa pai bon dai kan naga yanki wata kulu gurfai din bon dai no irga charno berai wadi yan kulbo so kuna ni dini te murado ai no berai to gorgasin ai sabu wallahi ai ki ni se dai foyo kiro zabo amma ni mo ni do hara ko kari gaidan aran grupo dira hey ir grupo kan ne ragai tantai ko non kyar ku bayara ai sigin da bani gorgasin ni mo barsi bora ganan dinga da sai ganan daida manga manga telefono bumboda zai koi foyin hantu Eh, ai ai go gudu wasi ki yambun boda ai eh, gungidi ba so hin yan fodum ni sambirse ai go kwanyen du babu gwa ma fa hunkuna eh to masidirin yan fa yan dunya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma Voilà, c'était là euh, le loti hein, des femmes du studio Kalangu. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi euh, en compagnie de Asumana China. Il est journaliste au studio Kalangu et traducteur en langue Hausa. Aujourd'hui, avec lui, nous allons découvrir ce que signifie le mot budget. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. China, bonjour et bienvenue dans le Niger sur Kalangu. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Euh, merci de m'avoir donné la parole pour pouvoir parler du budget. Euh, donner donc sa définition. Alors, euh, pour cette définition, je suis parti donc euh, vers le dictionnaire Larousse qui en a donné jusqu'à trois. Alors, donc, selon le dictionnaire Larousse, un budget, c'est l'ensemble des comptes ou bien des prévisions qui décrivent pour une année toutes les ressources et toutes les charges de l'État, des autres collectivités publiques et des établissements publics. Le budget aussi est défini comme ensemble des recettes et des dépenses d'un particulier ou d'une entreprise. L'autre définition, c'est-à-dire la troisième, le budget, c'est euh, donc une somme réservée à une dépense particulière. Vous avez euh, aussi prévu, China, de nous donner l'explication de ce mot langue Hausa. Effectivement. Donc, euh, budget en Hausa, ça s'appelle, euh, on l'appelle kasafin kudi. Da muka je a kamus cewa da c'est kamus Larus, sai mot que wato abin da yake nuhi wato fasara shi. shi dai wato kasafin kuɗi adadin kuɗaɗe ne da aka ƙayyade ta hanyar hasashe domin tafiyar da ayyukan ƙasa na shekara ɗaya ko na ƙungiyoyin jama'a ko kuma na wasu ma'aikatu na jama'a hakan ga wani fasara kuma wato kasafin kuɗi ya kasance adadin kuɗaɗen da wani mutum ko wani kamfani ke tattarawa da kuma yake kashewa sannan kuma a ƙarshe adadin kuɗi ko wato kasafin kuɗi ana kiran shi kamar wani adadi na kuɗaɗe da de ware domin yin merci euh, pour cet éclaircissement sur le mot budget. Merci beaucoup et bonne suite. Merci à vous, euh, Monsieur China. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, c'est le moment pour nous de écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Oui. Julie Seno, car dans cette émission, nous leur donnons bien évidemment la possibilité de donner leur point de vue sur nos productions, mais aussi et surtout de passer le salam à l'endroit de leurs frères, sœurs et amis qui les écoutent sur nos 52 radios partenaires. Sunana Mustapha Mahmudu da ke Madobi. Gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna burge ni musamman ma shirin da suke yin na na faɗakar da matasa na ƙarshen makon na wanda suke shiryawa da harshen Faransanci da na zabarmanci da na hausa gaskiya wannan shiri yana wayar da mu musamman ma mu matasa saboda matsalolin matasa ne ake ɗaukowa ana wayar musu da kai yadda za su samu su ci gaba gaskiya studio kalangu muna alfahari da ku muna so ku ƙara inganta shirye-shiryenku musamman ma bisa kan harkar matasa. Sunana na Nisuwai ba da mutanen gunnaka. A matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan CDO in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen ɗiya, kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen ɗiya. kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu da shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in dai an faɗi da harshen hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su sa su banyanar da shi kuma muna jin shi suna Da dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai ayi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai faɗakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin eh, ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu ina ji duka dai duka wanda ake na rayuwar matan eh muna ji suna yin shi sunana abagama mai biredi muna sauraren shirye-shiryen studio kalangu lokaci zuwa lokaci amma cikin shirye-shiryen da nake saurari wanda dai na dan ba da mahimmancin sauraren su akwai shiri wannan na waye kan matasa game da wannan shaye-shaye haka da sauran irin ayyuka na ɓata gari haka na matasa kuma da jan hankali ga matasa domin su kama sana'a ita ce ta muhimmanci a gare su to wannan shirin gaskiya ina bibiyar shi da kyau kuma kamar ga yadda suke da kokari don samun jawo hankalin matasa a guji wannan ɗabi'u na shaye-shaye da sauransu kuma da eh, a kama sana'a don a dogara ga kai ni abin da nake so kamar wannan shiri na jawo hankalin matasa shine nake so a ƙara ƙarfafa shi in so samu ne ma a ce a ko da wani lokaci sahi da mulci Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Nafisa Adam notre collègue chargé de présenter le journal en français de la grande édition du soir. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta. Bonjour Seno. Bonjour. quels sont les grands titres de ce soir tout d'abord, à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 ce 21 mars, vous entendrez le témoignage d'une maman d'un enfant trisomique sur la vie et les études de l'enfant. Nous parlerons de culture, plus précisément du conte qui, selon un responsable culturel nigérien, est très important dans l'éducation des enfants, d'où l'importance de ramener le conte dans les programmes scolaires. Enfin, le magazine de ce jour nous fait découvrir le moukfé, un plat traditionnel touareg. Je vous espère bien à l'écoute du journal à 17h. <laughs> Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah, avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Issa Looli et Adam Adouaki à l'édition. Passez une excellente journée. Bye bye.